bon ce matin hein, ce matin à 7h10 7h10 gis ngeen que rien que pour avoir des billets pour le match Sénégal euh, Côte d'Ivoire ñu ni nii te itam nii boo demee poste ni la mel boo demee sous préfecture itam la mel partout, partout ni le même. rien que pour avoir des billets. J'ai pas eu le ticket. Depuis 3 heures du matin, je suis venu, j'ai pas encore eu le ticket, Wallah. on vient, on n'a pas de ticket. Bon, je vois qu'il y, a un mécontentement de la population, des ressortissants sénégalais, des Ivoiriens. On n'est pas du tout vraiment content. Maintenant, il est 9h, on nous dit la dame, elle est venue pour distribuer les tickets. Les premières vagues, au lieu de les faire rentrer, ils n'ont pas fait ça. Hein. Ils ont fait rentrer d'abord ceux qui les arrangent. Et après maintenant, on était obligé de forcer la, porte parce que c'était du foutaise. Après, on voyait les personnes qui rentrent derrière avec les gendarmes, les militaires. Les militaires qui viennent, ils prennent les tickets, ils s'en vont. C'est quoi l'organisation ça La Cannes, c'est pour l'Afrique. C'est pour les Africains. Donc, ils doivent respecter la population d'abord. Le gouvernement, il a qu'à après. Nous d'abord. C'est nous qui faisons le gouvernement. Sans nous, il n'y a pas de gouvernement. C'est nous, on les vote. Donc ils n'ont qu'à nous respecter, nous, on les respecte. Mais ils ne nous respectent pas. On dit, il y a les tickets, la femme qui est sur la machine, c'est une personne seulement. Si c'est l'enrôlement de la carte d'identité, on vient avec le monde. Mais si c'est pour les tickets, c'est une personne seulement on vient avec. On ne va pas en avoir parce qu'un ticket pour faire sortir 20 minutes. Un ticket 20 minutes. Un ticket 20 minutes. C'est pas possible. Et le problème est qu'on devait faire sortir d'abord les tickets et quand tu viens, tu payes ton argent, on te donne ton ticket. Tu viens, tu payes ton argent, on te donne ton ticket. Mais on nous parlait le ticket en ligne d'abord. C'est-à-dire l'ordinateur doit parler d'abord avant que ça sorte. Bon, le match, oh, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Parce que le lion, ce n'est pas le chat, c'est le lion. L'éléphant, ce n'est pas l'amusement aussi, c'est l'éléphant. Que le meilleur gagne. Sadio Mane, il est fort. On a nos meilleurs joueurs aussi. C'est Fofana. Que le meilleur gagne. Moi, je ne vais pas choisir la Côte d'Ivoire ou bien eh, le Sénégal je suis fair play, je suis panafricain. Je vais pour m'amuser, que le meilleur gagne. Et vive l'Afrique.